Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Le forum du studio Kalangou a pour aujourd'hui, Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2023. Comment consolider les acquis au Niger Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique euh, professionnel là tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté et de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite euh, d'une histoire. La déclaration de Hunduk est considérée comme une référence pour garantir la liberté de la presse dans le monde. Tout a commencé lors d'un séminaire en Windhoek en 1991, mais les idées professionnelles des médias qui ont agi comme un catalyseur pour encourager la liberté de la presse, l'indépendance et le pluralisme de la presse en Afrique et dans d'autres parties du monde. La conférence générale de l'UNESCO a approuvé la déclaration de Windhoek en 1991 et suite à la la proposition des participants au séminaire de Windhoek de consacrer une journée à la promotion de la liberté de la presse. En 1993, l'ONU a déclaré le 3 mai journée mondiale de la liberté de la presse, le jour même de l'adoption de la déclaration de Windhoek. Depuis lors, l'UNESCO a organisé des conférences internationales pour débattre et sensibiliser sur les questions les plus pressantes de la liberté de la presse. Cette année, le thème retenu est la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits humains. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions, des explications et analyses la situation de la liberté de la presse au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées en la matière. Pour ce faire, nous avons avons le plaisir de recevoir Bras Suleiman, membre du conseil d'administration de la maison de la presse. Bras Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Sahirou Youssouf, membre du conseil supérieur de la communication CSC. Sahirou Youssouf, bonsoir. Bonsoir. Manzo Ibrahim, secrétaire général de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI. Manzo Ibrahim, bonsoir. Bonsoir et Yaharu Maman, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie Nimed Niger. Yaharu Maman, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Sahiro Youssouf euh, du Conseil supérieur de la communication. Comment se porte aujourd'hui le Niger au sujet de la presse en 2023 euh, merci Mokhtar. je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les journalistes une bonne fête. Et la situation de la presse au Niger en 2023 ah. nous renvoie au classement de RSF. Reporters sans frontières. sans frontières qui a rendu son classement tout récemment et qui classe le Niger à la 61e place. ce classement relève un recul de deux points. Cela veut dire quoi Cela veut dire que euh, beaucoup reste à faire la situation était un peu favorable, mais de plus en plus, elle est en train de se dégrader un peu. La situation est en train de se dégrader. vous avez euh, eu les raisons, vous avez cherché à comprendre pourquoi ce recul Le recul est dû essentiellement aux conditions de vie et de travail des journalistes. Aujourd'hui, quand... Ça veut dire que les conditions de vie des journalistes sont précaires ici au Niger Bien sûr, elles sont précaires. C'est dans ce sens que euh, ce classement-là, encore, le Niger a régressé de deux points. L'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, vous conviendrez avec comme moi, permet aux journalistes de faire de très belles productions, de respecter l'éthique et la déontologie et de livrer au public la vraie information. Quand on a un ventre creux, quand on cherche... Saïd Youssouf du Conseil supérieur de la communication, la faute à qui Aux journalistes, aux promoteurs des médias euh, ou bien à l'État, au gouvernement nigérien je crois que tous les acteurs ici sont concernés, mais le premier acteur, c'est l'État. Je vous rappelle qu'il y a un décret portant accès à la publicité de l'État et de ses démembrements. Il y a la signature de la convention collective dont on a observé déjà un an de mémorandum. Et tout cela, si les conditions étaient réunies, allait permettre aux journalistes d'être dans les conditions sécurisées de travail. Donc ça, veut dire que c'est le gouvernement qui traîne encore les pieds. Le gouvernement est en partie responsable, effectivement, parce que l'accès à la publicité de l'État, le décret a été pris, mais eh, jusque-là, les conditions de mise en œuvre de ces décrets-là ne sont pas réunies. Et qui pouvait faire booster cela, c'est l'État du Niger par les organisations socio-professionnelles qui ne peuvent que rappeler. Ça fait partie de votre agenda, de votre doléance. Euh, vous avez rencontré le président de la République. Euh, le bureau du Conseil supérieur de la communication avait rencontré le président de la République. Est-ce que cela fait partie euh, des points qui ont été abordés Toutes les difficultés qui freinent à l'exercice de la profession, toutes les situations qui permettent aujourd'hui aux médias de vivre dans des situations compliquées ont été abordées avec le président de la République. Il a pris bonne note Et je crois que le président du Conseil supérieur de la communication, quand il a livré euh, son message après l'audience avec le président de la République, il a effectivement dit que le président de la République a été attentif à toutes les doléances posées et que des engagements vont suivre. Euh, Saïrou Issouf du Conseil supérieur de la communication, euh, la promotion de la liberté de la presse dans un pays pauvre comme le Niger est-elle un impératif ou une nécessité C'est même un impératif. Ce n'est plus une nécessité. On a dépassé le cap de nécessité. C'est aujourd'hui un impératif. Parce que sans liberté de presse, je vous dis que le développement est quelque part suspendu parce qu'il faudrait que les conditions soient réunies. Euh, prenez le thème de, de, cette journée qui parle de la liberté de la presse qui est le fondement de tout l'exercice des autres droits. Tant que la liberté de la presse n'est pas garantie, je crois qu'on ne pouvait pas aller dans le sens d'un développement harmonieux qu'on souhaite. Merci beaucoup, Sari Youssouf euh, du Conseil supérieur de la communication. Le temps de donner la parole à bras Suleiman de la Maison de la Presse. Euh, Bra au Niger, malgré une euh, baisse encourageante du nombre d'atteintes à la liberté de la presse, le contexte régional marqué par la lutte contre le terrorisme a encore un impact certain tant sur la sécurité des journalistes que sur l'accès à l'information de la population. Vous l'avez rappelé euh, ce matin lors de votre déclaration. Y a-t-il des acquis à consolider en matière de la liberté de la presse au Niger Effectivement, il y a des euh, acquis à, consolider. consolider. C'est vrai, en matière de textes, il faut le dire qu'il y a quand même des avancées depuis pratiquement une euh, décennie, puisque l'ordonnance 2010-35, c'est quand même en 2010. Ah. Du point de vue des textes, il y a des avancées. Mais comment expliquer le recul au niveau du classement euh, oui, Reporters sans frontières Oui, en fait, si vous, si vous faites un peu en fait, le récap, vous verrez que enfin, les premières années de l'adoption de cette ordonnance, quand même, euh, le Niger a gagné euh, des, points. L'ordonnance 2010. 2010 Maintenant, après, il y a effectivement euh, des situations. Vous avez tout à l'heure rappelé le contexte sécuritaire, mais il y a aussi du fait qu'il y a des attentes aussi à, la liberté des presses au Niger. Maintenant, de l'autre côté, le fait que les journalistes ne sont pas aussi dans euh, des conditions, dans des très bonnes conditions. de, travail, supérieur de la communication l'a Et ça, je pense que ça a un lien surtout avec euh, euh, la convention collective que le Conseil du CSC a quand même rappelé. Maintenant, les acquis, effectivement, puisqu'on ne peut pas dissocier les textes aussi, puisque tout est tout n'est pas en fait acquis. Si ah. En fait, même dans les textes, il faut essayer un peu, selon moi, de voir ce qu'on a. Par exemple, j'ai parlé de l'ordonnance 2010 c'est un acquis. Maintenant, au niveau de cette ordonnance, il y a aussi des dispositions qui. Mais est-ce que cet acquis a été consolidé On se rappelle euh, quand même euh, de la loi sur la cybercriminalité, euh, qui est aussi un handicap pour les journalistes. Non, en fait, c'est un acquis. Maintenant, c'est qu'il y a, en fait, ce qui freine ou les discussions qui freinent au niveau de, de cette ordonnance, c'est ça qu'il faut essayer de voir comment il faut ah, arranger la chose. Il y a des insuffisances à ce niveau. Effectivement. Je, je vous prends par exemple un exemple. Vous prenez l'article 67 de cette ordonnance qui dit que la détention préventive est interdite. Mais dans la pratique, euh, qu'est-ce qu'on constate Si un journaliste est interpellé au niveau de la PJ ou bien au niveau de la justice, il y a des journalistes qui ont été gardés en prison et même au niveau de la PJ. Ça, c'est quand même quelque chose qui C'est une contradiction selon vous. En fait, parce que c'est des choses qui n'ont pas été respectées. Maintenant, comment construire les acquis Pour moi, il faut commencer d'abord à en fait rappeler ce qui n'a pas marché au niveau de ces textes et voir comment maintenant il faut le combat pour que ces acquis soient quand même continués. Ça, c'est juste un premier niveau. Deuxième niveau, au-delà de, de vous prenez après, il y a eu la charte aussi portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. C'est aussi un acquis, mais il faut essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, si c'est les décrets d'application, si c'est le fait que les jeunes n'arrivent pas aussi à, en fait, au niveau de l'organisation, si c'est la vulgarisation ou c'est la compréhension, il faut aussi aller faire cette vulgarisation pour faire en sorte que, au moins, les dispositions de cette charte soient, en fait, respectées. Maintenant, s'agissant de la loi 2019 portant répression de la cybercriminalité aussi, il y a eu un premier pas. Parce que les soucis au niveau des professionnels des médias, c'est qu'on ne peut pas. Déjà, on a euh, une autre euh, loi qui est l'ordonnance des 2010. Donc, on ne peut pas mettre le journaliste comme les autres acteurs. Il y a eu ces plaidoyers où effectivement le gouvernement a quand même fait un pas en harmonisant euh, certaines dispositions de cette euh, loi avec la loi de l'Église. Maintenant, les problèmes aussi qui se posent à ce niveau, c'est au niveau des amendes. C'est vrai, la peine privative a été allévée puisqu'elle a été remplacée par des amendes. Mais quand on regarde... Il faut rappeler aussi que des, amendes aussi lourdes mais euh, ça plus souvent. Mais, c'est ça qu'il faut en fait harmoniser. Parce qu'au niveau des dispositions de l'ordonnance 2010, l'amende, ça commence à partir de 5 000 tout au plus 1 million. Mais aujourd'hui, au niveau de la loi portant répression de la été c'est de 5 millions à plus de 10 millions. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de revoir pour permettre en fait, aux journalistes et aux médias de bien faire leur travail. Donc, vous voyez, au niveau de, tous ces trois textes que j'ai bien de citer, effectivement, c'est des acquis, mais dans la pratique, on constate qu'il y a, à mon niveau, des, insuffisances. oui, en fait, des manquements, des insuffisances qu'il faille effectivement corriger pour permettre, en fait, aux journalistes de bien faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun média nigérien qui a quand même ces moyens, cette police, d'aller payer une amende de 5 à 10 millions. Soit vous payez moindre des 5 millions et vous, vous portez en prison. la fin du monopole de l'État sur les médias en 1991 a favorisé le développement du paysage médiatique nigérien et permis l'arrivée des premiers hebdomadaires indépendants diffusés dans la capitale Niamey, comme Haske, le républicain ou le démocrate. En 2022, le pays compte 67 radios privées, 15 chaînes de télévision télévision privée et 16 sites de presse en ligne. Ce développement fulgurant du paysage médiatique nigérien est-il une bonne chose Oui, c'est une bonne chose, c'est vraiment une avancée parce que c'est cette pluralité qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs euh, et chacun fait son travail. Donc, euh, du premier journal Hassia en 91, aujourd'hui, vous avez rappelé, on a une 80 euh, de titres, même si c'est peut-être une quarantaine qui passent chaque jour, les radios et même les radios communautaires, puisqu'on a plus de 200 radios communautaires aujourd'hui. En fait, c'est ça, quand on parle de droits, cette liberté d'expression, c'est ça qui conditionne même un peu la vie. Et comme on le dit, c'est l'oxygène de la démocratie. C'est ça qui permet aujourd'hui aux citoyens de s'exprimer, de dire leur euh, opinion. Et c'est vraiment une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut continuer dans ce sens, faire cette promotion de euh, la liberté de presse, surtout au niveau aussi du Conseil supérieur, puisque c'est une des missions aussi du Conseil supérieur euh, de, la, communication. Merci beaucoup, Bara Maman Djaharou. Euh, le journalisme est-il une activité enviable et rentable au Niger Le Niger est-il une terre favorable à l'exercice du métier de journalisme aujourd'hui Merci Mokhtar. Très bonne question. Est-ce que le journalisme est enviable euh, au Niger. Euh, euh, Est-ce que c'est rentable C'est rentable, c'est un débat, c'est enviable. Oui, c'est un métier noble. Le premier intervenant a rappelé quelques difficultés de, la, de pratique du journalisme, notamment avec l'absence de la convention collective. Interprofessionnelle. Interprofessionnelle. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est enviable. J'ai dit plus ou moins non parce que euh, quand on regarde les conditions de travail des journalistes euh, indépendants, pour ne pas dire privés, la situation est totalement difficile. Et c'est ce que je disais tout le temps, que j'admire le courage des journalistes euh, du secteur privé qui mènent ce travail-là en soldats. Il faut les appeler ainsi parce que quand vous regardez, le revenu n'y est pas. Le revenu, même de la moyenne, ne dépasse pas le SMIC. Et quand vous regardez le travail des journalistes, même le plus nanti de ce pays, quand il se réveille le matin, il attend que les journalistes l'informe sur la vie de la nation, sur même son activité. Et quand vous regardez leurs conditions de vie, je pense que ce, ce travail là mérite mieux. Et c'est pour cela que je, dis, je soutiens la thèse sur laquelle il faut faire avancer la convention collective. Il faut faut faire avancer le décret, l'effectivité du décret sur la publicité de l'État et de ses démembrements, puisque aujourd'hui, au Niger, on n'a pas un secteur privé extrêmement important comme dans d'autres pays. Lorsque dans d'autres pays, les médias n'ont même pas besoin de la subvention de l'État, le fonds d'aide, parce que l'État a créé les conditions d'un secteur privé qui permet aux médias, aux entreprises de presse de créer des richesses, de créer des partenariats et de faire des productions parce qu'il y a, il y a les moyens privés et il y a la demande. Mais quand vous regardez au Niger, tout le monde se rit sur l'État parce que c'est l'État seul qui a le monopole d'investissement, le monopole de commandes de, de marché public. Alors, quand la publicité de cet État-là et de ses démembrements n'est pas accessible, n'est pas équitablement répartie aux médias, je pense qu'on ne peut pas parler véritablement des entreprises euh, euh, de presse euh, viables. Et donc le journalisme ne peut pas être viable dans ces conditions-là. Maman Gaharou, l'indépendance de l'information sur les chaînes publiques est difficile. Vous l'avez rappelé tout de suite et elle demeure rare sur les chaînes privées. Le mm. poids de l'ingérence dans l'éditorial est mm. très important dans beaucoup de pays en Afrique. C'est aussi le cas au Niger. Oui, je pense que le débat s'est même posé il y a quelques années quand il s'est agi au niveau des organisations et même le débat a été suscité pour qu'au niveau du Conseil supérieur de la communication à son temps, pour que les médias publics, la nomination des médias publics se conforme à certaines grandes démocraties, que ça se fasse sur proposition euh, du Conseil supérieur de la communication et que le, pas du Conseil supérieur de la communication, autant pour moi, que la désignation des dirigeants des médias publics se fasse sur la base d'appel à candidature. Ça veut dire que c'est une expertise dont on a besoin du premier manager et qui vient avec toute une euh, planification dans le sens de renforcer la liberté d'expression, dans le sens de servir les citoyens, puisque les médias publics n'appartiennent pas aux dirigeants, ils appartiennent à. Mais est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut constater cela ici au Niger Non, c'est pas possible du moment où je vous disais que la, désignation se fait toujours par le politique et la gestion de ces médias est sous la tutelle politique. Et eh, on est arrivé même au Niger, tout récemment, vous avez vu euh, les, travailleurs des médias publics qui sont sortis pour dénoncer la baisse de la subvention allouée à ces, organes-là. Donc il y a des insuffisances. Mais toutefois, il faut séparer euh, deux choses. Il y a l'emprise du politique. Euh, du politique sur les médias et il y a aussi la capacité des acteurs, des travailleurs à innover. Il y a toujours une marge pour faire son travail de façon professionnelle. Et il y a euh, cet aspect-là. À, mon avis, il n'est pas l'emprise ne justifie pas ah. le fonctionnement actuel de nos médias parce qu'il y a toujours une liberté. oui, euh, euh, on peut l'appeler dysfonctionnement, mais tel que ça se fonctionne, je pense qu'il y a la part de l'emprise du, du, politique et il y a la part aussi de travailleurs et de la direction qui est censée améliorer de façon professionnelle le contenu de production. Aujourd'hui, dans nos médias publics, on ne parle plus de production. On ne peut même pas les chercher dans le privé, puisque le privé, <laughs> n'a même pas le moyen. les médias publics qui ont la subvention de l'État, même si elle s'est réduite de temps en temps, quand même, ils ont plus de moyens que le public pour faire des productions. Aujourd'hui, je ne pense pas que au niveau des médias d'État qu'on puisse avoir une production vendable. Je ne sais pas si je l'ai rappelé. Par, insuffisance de moyens Par insuffisance de moyens et aussi par la gouvernance des médias, des médias euh, euh, actuellement. Je vous donne un exemple. Rapidement. Très rapidement. Il y avait quelques, quelques mois ou quelques années, deux ans à peu près, où il y avait un média, je pense que c'est la radio finlandaise, le groupe de presse publique finlandais, la télévision nationale finlandaise, qui voulait film sur la, sur la migration, le couloir de passage jusqu'à la, Méditerranée. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Vous savez avec qui ils ont payé ce, ce film-là qui passe sur le Niger, la migration au Niger C'est avec France 24, à des centaines de millions. Imaginons si c'est fait au Niger, ça fait déjà un plus. plus pour le, budget de, la télévision nationale. Merci beaucoup, Djaharou euh, Manzo Ibrahim euh, de l'ANEPI. Les poursuites euh, et condamnations incessantes visant certains journalistes, tels que le directeur de publication du journal L'événement, Moussa Ksar, qui est auteur de plusieurs enquêtes, dont l'affaire MDN Get, l'affaire du ministère de la Défense nationale, une affaire sur la corruption et les malversations financières impliquant des hauts responsables politiques et militaires. Euh, que fait l'ANEPI pour que euh, ce genre de comportement cesse Merci beaucoup, Mokhtar. Bon, les moyens par lesquels nous passons pour lutter contre euh, aussi bien les détentions préventives que les emprisonnements, c'est toujours les moyens habituels, c'est toujours les déclarations. Maintenant, au-delà des déclarations, il y a quand même. Il faut rapprocher les positions. Chaque fois qu'il y a un, événement grave de ce genre-là, ce qui est sûr, c'est que les journalistes, nous, nous allons continuer à les encourager à faire leur travail et à faire correctement leur travail. Mais chaque fois qu'il y a un couac, il faut essayer de voir qu'est-ce qui a pu se passer qu'est-ce qui a pu se passer dans Il faut d'abord regarder le contenu de l'information révélée par le média. Si l'information révélée par le média est une information exacte vérifiable. Et il y a des indices probants et concordants pour parler comme les juges qui justifient la publication de cette information-là. Nous, nous sommes partants. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas que l'information soit tue, c'est qu'elle soit donnée. Nous sommes les militants de la publication de l'information. Tant qu'il y a de l'information à donner, il y a de la matière, il faut la donner. Et nous encourageons les journalistes à, à creuser et à mettre... Le métier du journaliste, c'est de mettre la plume dans la plaie en engageant son honneur et sa vie. Au-delà des déclarations, est-ce qu'il y a des actions à mener dans ce sens-là pour que ces genre de pratiques-là cessent Mais naturellement, il y aura toujours des actions. Et c'est l'une des actions, c'est celle que nous sommes en train de faire faire connaître d'abord l'étendue des pouvoirs des médias, la nécessité de donner l'information. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, même ceux qui combattent les médias sont quand même d'accord avec la mission de service public des médias, des organes d'information qu'ils soient des organes d'information généraux ou des organes d'information spécialisés, même pour le cas du réseau de, de AXAR, le CENOZO. Alors, eux, ils puisqu'ils sont d'accord avec la mission de service public, ce sur quoi nous ne pouvons pas nous entendre, c'est lorsqu'on égratigne quelqu'un il ne peut pas être d'accord que ce soit lui la victime d'un processus de production de l'information lui-même avec lequel lui-même il est d'accord. Parce que ça va contre ses intérêts. Mais au nom de l'intérêt général, il faut continuer. Il faut continuer à le faire. Ce que donc nous, nous avons à faire, c'est d'encourager les médias à se tenir droit dans leur boîte, de faire ce travail conformément au texte en vigueur de respecter la morale publique, l'éthique et la déontologie et de continuer à faire ce travail-là, à fouiller même là où ça sent mauvais. <laughs> Monsieur Ibrahim, au Niger, l'adoption d'un code de la presse en 2010, euh, Suleiman Bra de la Maison de la Presse l'a rappelé tout de suite, a été une avancée majeure pour la protection des journalistes, mettant fin aux peines euh, privatives de liberté pour les délits de presse. Pour autant, euh, cette loi plus protectrice est régulièrement contournée. Euh, comment prévenir euh, toutes euh, ces dérives-là Merci beaucoup. En fait, pour prévenir ces dérives, il faut savoir comment ces dérives se manifestent. En vérité, les gens ont appris par tradition à contourner la loi sur la presse et à basculer dans le... Oui, mais depuis 2010, que faites-vous au niveau de l'association des éditeurs de la presse indépendante et même la maison de la presse, ils sont concernés. Et que faites-vous pour que les insuffisances là puissent être comblées oui, en fait, euh, j'aurais pu, euh, si j'avais pu terminer ma phrase, cette question n'aurait pas été nécessaire. Allez-y. En fait, ce que les gens, par tradition, comme je le disais tantôt, ils ont l'habitude de contourner la loi sur la presse et nous appliquer les dispositions générales du code pénal. Aux journalistes. Euh, oui, lorsqu'il y a un différent entre un citoyen et un journaliste, vous ne pouvez pas empêcher au citoyen, au nom de ses droits à lui, de déposer plainte contre un journaliste. Maintenant, lorsque la plainte est déposée à la justice, que fait le juge Il examine d'abord euh, la plainte, le motif de la plainte. Il compare le contenu avec le, je présume, hein, il compare le contenu de ce qui a été révélé et il regarde l'honneur du citoyen. Est-ce que dans le contenu, il y a eu diffamation ou pas On ne peut pas laisser les journalistes raconter ce qu'ils veulent. Il faut regarder pour voir s'il y a de la matière à débat. Maintenant, une fois que le problème est posé, il y a des dispositions générales du Code pénal qui est un texte de loi en vigueur et il y a des dispositions de la loi sur la presse il y a un contentieux à régler. Ce n'est pas au journaliste de choisir comment on va lui régler le contentieux, c'est au juge qui est l'arbitre de choisir comment on va lui régler. Donc il y a tout un travail à faire le long de la chaîne, aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau des juges et du, qui sont par ailleurs des amis, dont nous nous reprochons assez souvent pour comprendre, aussi bien pour qu'ils nous aident à comprendre comment on applique la loi, comment ils traitent les dossiers, qu'au niveau des journalistes qui sont quelque part, et non seulement les victimes de ce genre de processus, mais qui sont aussi quelque part partie prenante à l'application de ce droit-là, puisqu'il va falloir bien qu'on fasse la faute pour qu'on vous appelle pour dire que vous avez fauté. Et eh ben, Donc, si en amont, le journaliste prend des précautions déjà pour ne pas tomber dans les dispositions générales du Code pénal, comme dans la loi sur euh, les médias, c'est propre. Mais maintenant, si par inadvertance, on pose un acte qui relève du domaine de la loi, naturellement, la loi va poursuivre. C'est un peu ça la difficulté. Et donc, l'idée, c'est de travailler tous ensemble de manière à ce que nous puissions prévenir. Et, là, je parle sous le contrôle de, de Jafar Maman, avec qui nous étions à l'Observatoire indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. Si l'éthique et la déontologie des journalistes est bien respectée par les journalistes eux-mêmes, je pense qu'il y aura moins de casse. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Sahirou Youssouf euh, du Conseil supérieur de la communication, le manque euh, de publicité, les coûts élevés de l'impression et le développement des réseaux sociaux menacent la survie euh, des journaux et nombre d'entre eux disparaissent. Les radios privées n'échappent pas à cette fragilité et seules les chaînes de télévision arrivent à tirer profit du marché publicitaire. Cette précarité financière fragilise aussi les journalistes exposé à la tentation. Qu'est-ce que le Conseil supérieur de la communication peut faire ou va faire à ce sujet euh, Merci Mokhtar pour ta question. Cette situation que tu viens de décrire, c'est vraiment une réalité. Et le Conseil supérieur de la communication, comme un, participant vient de l'évoquer ici, a la mission de promouvoir la liberté de la presse. Donc, euh, conscient de, cette mission, le nouveau Conseil supérieur de la communication qui, vient de s'installer à peine euh, deux mois a pris déjà la situation en main et ce qui traduit déjà les doléances exposées devant le président de la République à l'occasion de l'audience avec le bureau du Conseil, du Conseil supérieur de la communication, où euh, le président a vraiment évoqué toute cette situation que tu viens de décrire. Parce que tant qu'il n'y a pas les moyens, euh, parce que euh, la situation aujourd'hui, si les médias disparaissent, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se maintenir, d'être véritablement des entreprises de presse pour pouvoir euh, continuer à fonctionner normalement. Donc le Conseil supérieur de la communication, effectivement, travaille dans ce sens et, une des, demandes formulées, c'était le rehausser le fonds d'aide la presse. Le président de la République a pris acte, il la promis que quelque chose va être fait dans ce sens. Maintenant, après le fondé à la presse, il y a la question de l'accès à la publicité de l'État. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait déjà par euh, le Conseil supérieur de la communication qui vient de, finir son mandat, où une délibération a été prise. Maintenant, c'est comment mettre cette délibération-là, la mettre en œuvre. Et effectivement, pour la mettre en œuvre, eh, le Conseil supérieur de la communication a pensé qu'il faudrait réunir tout le gouvernement, lui expliquer que c'est un décret, c'est maintenant une disposition qui est là, qu'il faudrait respecter. Donc, que l'accès à la publicité ne soit pas seulement euh, permis aux, médias d'État, des médias privés qui font également des services euh, publics, comme l'a attesté la Constitution de, la République du Niger, doivent bénéficier ainsi que les radios communautaires. Donc ce travail a été fait. Maintenant, c'est dans la pratique comment ça va se faire, le Conseil pour la communication. Et sur cette question, et je crois que dans les prochains euh, mois quelque chose va être fait dans ce sens. Les attaques et menaces envers les journalistes ne sont pas rares au Niger, surtout au cours des manifestations en public. Euh, comment y mettre fin euh, merci, c'est aussi une réalité puisque j'ai suivi la déclaration des organisations socioprofessionnelles de, des médias ce matin. Ils ont évoqué quelques cas qui, euh, se sont... Euh, celui du, le cas de, la, radio en famille. et puis, je crois qu'au niveau de l'aéroport, il y a eu aussi quelques démêlés. Donc, euh, toute toutes ces situations, je crois, on pouvait la régler. Et la crédibilité aussi de la carte des journalistes professionnels. C'est bien de ça que je voulais parler, parce que la carte des du journaliste professionnel, doit être euh, connu par les autres acteurs, surtout les forces de défense et de sécurité. Ils doivent comprendre l'importance de cette carte. Et même les médias, il y a certains qui la détiennent, mais qui ne savent pas le pouvoir ou les prérogatives que cette carte leur confère. Donc il fallait faire ce travail-là. Et je crois que le Conseil supérieur de la communication a déjà pris de l'avance, puisqu'il y a une convention de co-régulation qui réunit le Conseil supérieur de la communication, la Maison de la presse et l'ONIMED. Et à travers cette co-régulation, il faudrait promouvoir la, carte de presse. Parce que eh, si les autres acteurs, je parle de forces de défense et de sécurité et les autres, s'ils comprennent l'intérêt, l'importance de la carte de presse, il n'y aura pas ce genre de situation-là. Merci beaucoup, Sahiro Youssouf euh, Suleiman. Le plus souvent, les mesures euh, d'intimidation euh, se traduisent par les arrestations des journalistes. Aussi, les sources sont peu protégées et la police exerce souvent des pressions lors des interpellations afin que ces sources soient dévoilées. Comment y mettre fin là aussi Ah non, ça, ce n'est pas possible d'y aller parce que. Ce n'est pas possible. Comment Non, en fait, pour un professionnel, je parle sous le contrôle des autres euh, confrères. Euh, même les juges ne peuvent pas contraindre euh, à un journaliste de dévoiler quand même sa source ou bien ses sources. Et je pense que, comme l'a rappelé aussi quelqu'un, l'une des garanties pour un journaliste ou de la sécurité d'un journaliste quand même, c'est la connaissance effectivement des textes. Quand on regarde la charte des journalistes professionnels du Niger, cette question a été quand même évoquée ou quand même c'est fondamental pour un journaliste de savoir qu'il ne doit pas dévoiler ses sources devant euh, en fait, les, en fait les juridictions. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement, comme euh, j'ai rappelé tout, tout à l'heure, si on applique les textes, la prévention même, la détention préventive, elle est même, elle même interdite. C'est ça, en fait, en fait, réalité. Maintenant, comment y mettre euh, fin C'est d'abord de continuer il y a, aussi des intimidations à travers les appels, les menaces au téléphone. Bon, ça peut arriver, mais quand même, on ne peut pas faire ça à un journaliste quand même. On ne peut pas faire ça Je ne sais pas si c'est, si c'est, les, si c'est par exemple. Euh, en tout cas, pour un journaliste, je pense que ce n'est pas le même. Maintenant, pour euh, en fait résoudre ou mettre fin à ça, il faut continuer à renforcer les capacités des journalistes, c'est-à-dire de connaître les textes tout à l'heure, on a parlé de la carte de presse, les prérogatives qu'elle confère. C'est très important pour une hein, de connaître qui, ne, qui ne détient pas cette carte. Ce n'est pas pour rien qu'il détient en fait cette carte de connaître la charte, de connaître l'ordonnance 2010, de connaître la charte pour son accès à la Constitution, de connaître aussi même la constitution, parce que c'est l'article 31 de la constitution qui parle de l'article 157 qui parle du 16 Tout ça là, c'est très important pour une de connaître les textes. Maintenant, les autres acteurs aussi, comme ce que la maison de la presse a initié depuis des années. Tout à l'heure, on a parlé de la pratique des textes. Eh bien, l'ordonnance 2010, il a eu plusieurs rencontres, que ce soit en Amérique ou à l'intérieur du pays, où effectivement nous essayons d'échanger avec euh, ces acteurs, que ce soit les forces de l'ordre et même euh, les magistrats. Et même les magistrats, pour évoquer effectivement, échanger autour de ces questions. Et c'est très important de vulgariser, que ce soit au niveau des médias, ou des, ou des journalistes et même des autres acteurs tous les textes de la et même la loi portant la répression de la cybercriminalité. De, la, de la Toute cette incompréhension, à un moment donné, et même au niveau de l'application, c'est parce qu'au Niger, on adopte les textes et on n'arrive pas à vulgariser ces textes. Et même au niveau de ceux qui sont censés appliquer ces textes. Vous, nous, on était parmi les premiers qui ont effectivement invité des magistrats pour venir, pour échanger autour de cette euh, euh, euh, de cette loi portant répression de la criminelle. Et après, on a compris, voilà les dispositions qui n'arrangent pas ou qui font en sorte que vraiment c'est difficile pour les jeunes Comment il faut faire, c'est d'aller vers les pluriels, d'aller au niveau de ces autorités pour qu'ils essayent de revoir aussi ces dispositions. Et Dieu comme je l'ai dit, c'est juste un pas. Maintenant, l'autre pas aussi, c'est vraiment de faire en sorte que même ce matin, on a rappelé ça. C'est de revoir, c'est de revoir les amendes. C'est de revoir vraiment les amendes parce que c'est vraiment, euh, ça atteint un niveau où les journalistes ne peuvent plus supporter ça. Bra Suleiman de la Maison de la Presse, y a-t-il un cadre de concertation ou une synergie euh, d'action entre les organisations socioprofessionnelles du secteur des médias euh, pour faire face aux défis et autres difficultés qui minent euh, ce secteur-là Oui, mais l'ensemble des organisations socioprofessionnelles sont quand même au niveau de la Maison de la Presse, puisque la fêtière a quand même 32 associations. Oui, mais est-ce que cette organisation unanime sur euh, presque tous les points sujets oui, à Oui, en fait, parce que c'est le même combat, Que ce soit euh, la promotion de la liberté de la presse et même la recherche aussi des autres euh, acquis. Ce que nous faisons, c'est ce qui en est pu fait, c'est ce que aussi les, synaptiques et les autres syndicats font on parle des médias publics, mais les, médias publics, par exemple, les, syndicats sont aussi membres de la festière. Et les autres euh, syndicats aussi et réseaux sont au niveau de la maison de la presse. Et c'est ensemble, effectivement, aujourd'hui, la déclaration ou bien les messages de ce jour, c'est l'ensemble des organisations socio-professionnelles et des, médias nigériens. Donc ça engage euh, vraiment l'ensemble ou la, la, partie, la grande partie quand même de ces organismes. Donc, c'est dire que vraiment, euh, par rapport à ça, nous sommes conscients de tous ces défis et nous travaillons nous toujours, pour vraiment faire en sorte que et vraiment, l'ensemble de ces défis puissent être quand même euh, en fait réglés euh, pour faire avancer la liberté de la presse au Niger. Merci beaucoup, Bra euh, Maman Diaharou de l'ONIMED Niger, le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle au Niger est le premier média africain certifié selon le standard de la journalisme Truth Initiative GTI. le journalisme Truth Initiative GTI est une Normes professionnelle internationale qui a pour ambition de modifier les règles euh, du jeu de l'espace digital afin de sortir euh, de la logique de concurrence déloyale entre types de contenu et de favoriser le journalisme de qualité. Comment consolider les acquis euh, consolider les acquis en matière de, la promotion de la liberté de la presse et même du journalisme professionnel commence par d'abord promouvoir le, le, texte juridique qui encadre l'exercice du métier du journalisme. Euh, parce que Brel a dit, la première sécurité d'un journaliste, c'est sa maîtrise d'abord des bas de son travail et c'est la maîtrise de, de, de l'environnement juridique qui lui permet d'éviter ou de, de mieux faire son travail. Alors, euh, sur ce terrain-là, on voit qu'il euh, y a beaucoup d'avancées qu'on peut s'allier. Il y a quelques difficultés à relever. C'est notamment euh, la question de la publicité, c'est notamment la question de la de taux d'amende au niveau de la de la loi sur la cybercriminalité, c'est notamment l'effectivité de l'ordonnance 2011 portant charte d'accès à l'information aux documents administratifs qui peut permettre aux journalistes d'accéder à l'information détenue par le pouvoir public. Alors c'est aussi un combat pour, faire, pour qu'il y ait une loi sur la presse électronique, puisque au Niger, jusqu'à preuve de contraire, vous l'avez dit, il y a 16 médias sinon plus. En ligne. ligne. Mais ces médias-là exercent par le bénéfice de doute comme on dit, puisqu'il y a une vacance de loi. Et aujourd'hui, le procureur ne peut pas autoriser et ne peut pas interdire. Mais on constate que dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse, il faut accepter ces médias lorsqu'ils sont effectifs, mais il faut en faire en sorte que qu'il y ait un cadre juridique. Je pense qu'un premier travail est fait sur le projet de loi sur la presse électronique. Ça peut venir renforcer le métier du journalisme et éviter même le lien avec la loi sur la cybercriminalité. Parce que lorsque le une loi sur la presse électronique est adoptée, peut-être on va nous épargner des conséquences de la loi sur la cybercriminalité qui sont, euh, a dit, qui sont euh, très nuisibles pour le, même le fonctionnement économique des médias. Euh, c'est extrêmement important. L'autre aspect qu'il faut évoquer rapidement, rapidement c'est au niveau des organisations socio-professionnelles des médias, il faut consolider les acquis en répertoriant les difficultés des médias, pas des organisations, mais des médias. Lorsque ces difficultés sont, euh, sont connues de tous d'ailleurs, ce sont les difficultés, ce sont des, des, violations, ce sont des intimidations. Il faut aller vers le renforcement des capacités des, des, journalistes et même de tous les acteurs. On, on évoque la difficulté au niveau de, des juridictions. Aujourd'hui, beaucoup de magistrats ont besoin d'être renforcés sur les textes spéciaux, particulièrement du secteur des médias. Maman Diarou, aujourd'hui, quelle est votre euh, opinion au sujet du travail que fait le studio Kalangou de la Fondation Irondel ici au Niger il est exceptionnel puisque nous sommes là. Euh, il, nous, nous, donne cette facilité de, discuter, d'être entendu au-delà du Niger. Et je pense que le, cadre de travail, le canal par lequel le studio fait connaître son travail et à sa lieu pour ma petite connaissance, je sais que vous êtes partenaire de plusieurs médias, que ce soit les radios communautaires qui sont sur l'échelle nationale et qui permettent aux citoyens d'entendre ce qui se passe à, partir de Niamey. Je pense que c'est un travail à saluer. Euh, là où peut-être vous avez évoqué, il y a un aspect peut-être euh, technique qu'il faut séparer c'est euh, euh, le travail de Studio Kalangu, c'est un travail professionnel fait par des professionnels qui font un travail exceptionnel, sélectionné pour leur professionnalisme parce qu'ils exercent d'ailleurs. On se côtoie ailleurs avant que vous ne soyez au niveau du Studio Kalangu. Et, peut-être la petite différence, elle est d'ordre juridique puisque le Studio Kalangu, c'est une structure de production. Mais pour se faire connaître, pour que ce travail de qualité puisse toucher le citoyen, servir le citoyen, être utile au citoyen, vous utilisez les canaux, les canaux des médias traditionnels qui sont les radios communautaires, les radios classiques et les radios et les télévisions. Nous, nous souhaitons que le studio Kalangou puisse lui-même se doter, être un média en tant que tel, et pour qu'il exerce pleinement ce travail de qualité. Merci beaucoup, Mohamed Yaharou. Euh, Ibrahim Manzo, je, le rappelle que le studio Kalangou de la Fondation Hirondelle au Niger est le premier média africain à être euh, certifié selon le standard de la Journalisme Trust Initiative GTI. Le studio Kalangou a d'ailleurs reçu les félicitations et les encouragements de Reporters euh, sans frontières pour l'obtention du label du journalisme Trust Initiative GTI. La presse nigérienne a a des beaux jours euh, devant elle et naturellement, elle a des beaux jours puisqu'on y, nous y sommes, on, y reste. Je suis en train de, de traverser ma, ma 27e année dans la profession ah. et j'ai encore quelques, je suppose que j'ai encore quelques beaux jours à passer dedans. Nous y croyons, c'est pour ça que nous y sommes. Nous y croyons. Mieux encore, la presse nigérienne ne manque pas de ressources. Il faut reconnaître que de ses débuts à aujourd'hui, elle s'est beaucoup professionnalisée et un long chemin a été parcouru. Et un énorme travail a été fait aussi au service de la démocratie, des libertés publiques et des droits de l'homme. Un énorme travail a été fait au bénéfice du développement économique du pays et de la personnalité juridique même de la presse. Il y a un, un énorme travail qui a été fait, et aussi bien pour la presse elle-même que pour le service public d'information, que pour l'État lui-même. L'État du Niger a été beaucoup aidé, a été beaucoup aidé par la presse, et la presse continue à l'épauler dans son travail aussi bien de la vulgarisation de ses programmes. votre appréciation au sujet du travail euh, que fait le studio Kalangu en si peu de temps En si peu de temps, je pense que le studio Kalangu a abattu un travail remarquable. Il a fait preuve de beaucoup de méthodes, il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, il a fait preuve de beaucoup de, de, savoir-faire, de, savoir-faire d'initiative, et il a produit, à mon sens, tout un patrimoine qu'il faut valoriser. Comme l'a si bien dit mon confrère euh, Jahar Maman, je pense qu'il faut passer à l'étape suivante. Il y a eu un jet de ballon d'essai, il a très bien fonctionné. Il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'étape suivante. Je pense que compte tenu du niveau de professionnalisme que le studio Kalangu a pu atteindre à ce niveau-là, compte tenu du, de la mission de service public qu'il a pu abattre en si peu de temps, je pense que ce ne serait pas mauvais, ce serait une très bonne chose de penser à l'étape suivante pour, pour s'institutionnaliser et devenir un média à part entière. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Sahirou Youssouf du Conseil supérieur de la communication, euh, Bras Suleiman, membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse au Niger, Ibrahim Manzo, secrétaire général de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante à ANEPI, et Yaharu maman président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Al-Mustafa Ayuba et à la réalisation Issa Alawali. Merci, au revoir.